Salam, ah, nous sommes sol ah, ay maillot ah, mën nañ ko jàppee jaune bleu noir ñoom ñooy attaqué camp yi nga xam ne moo jëm Ndargu Ndaw ñi nga xam ne ñooy waa ASEC Mayo, maillot rouge blanc di attaqué quand yi nga xam ne moo jëm diggante HLM ak et voilà c'est parti pour li nga xam ne mooy xaaj bu jëkk Keba pour Assane Petit Assane pour Keba la balle qui ne sort pas Acha Honda qui prononce, mais récupéré encore par Asek, par Moya, Bache Diop. le contrôle euh, pour introduire euh, mauvais passe. Est-ce que Lesco qui se dégage pour l'un de ses partenaires Moya, Paul en profondeur. Pour le numéro 75, ah, le contrôle crochet dans la séparation, la frappe euh, sur le poteau, mais le danger est toujours là. Ah, le danger est toujours là par Moy Ahmed. Et que Asek qui récupère par Asana Djajalo. Et que bas il est déjà sortie. Et que voilà la première occasion nette. Aïda Salam euh, sur ce tir d'Ahmed euh, qui, a touché le euh, côté gauche avant Mouya En tout cas, c'est la première occasion depuis le début de cette première. La seconde Daguna, c'est encore pour Salam par Leuze qui va entrer sur le côté gauche pour Sidi qui va centrer. Il n'est pas osé calmer ah moi, Ahmed euh, contrôle crochet contrôle crochet après. qui vient de rentrer. avec le numéro 14 de ASEC. La passe a été contrée par le numéro 65, récupérée par le numéro 3 de ASEC Ndargundao. Attention à cette bague avec le numéro 2. Le numéro 2, attention, attention, attention, il fait la passe, attention. Le danger la et eh la balle. di xaar beneen équipe inshallah dinañ ci xam dara Seynabou. Ah, euh, jaajëf ak euh, ñu xaarandi ba xam ndax ASEC day dess euh, ci trône bi ou bien ASEC Salam da koy détrôner ballon avec le gardien de l'équipe attention à cette balle l'équipe de ASEC attention Akran Akran action bi doyna na de. <laughs> ah mu nek lo xam ba une grande équipe aussi. non une très grande équipe. motax mané la motax mané la du nek match bu yombal fa. nee naa la. Diallo yëpp boo maytuwul. le centre est parti la sortie euh, du potier de Salama ki ana mooy Ras Lakra. occasion yi mën naa bañ a bari. moo tax ma ki gën a ki ëpp efficacité. mën na nekk aussi euh, un match piège Accra. waaw non match piège la pour ñaari équipe yëpp. Ah, mën na nekk un moo tax ma ne la cest à bu serré la du match buy béeku donc occasion yi mën na bañ a bari moo tax ma ne la ki si am daggitu occasion na nga ko profité dugal ko parce que mën nga kaa am ba match bi jeex Donc il faut que les, les, les, les attaquants, il faut qu'ils restent concentrés et efficaces, Alpha, et adroits devant les buts. Parce que l'occasion est maintenant à barrer Alpha ici match. Voilà, donc euh, bien dit à euh, mon consultant maison, euh, à à, à Mounia Kolego, récupéré par euh, Hassan Dagouna par Diallo, à, euh, pour Kalama Keba, Mounia Hassan Diallo en position de milieu. Mounia est-ce que Keba de la de débordé D'accord, devant lui, Anjo, le capitaine de Salam, il provoqué, Kalama Keba, central en terre, pour Kalama Petit Mounia Hassan, Hassan Dekaleko, Ablagnon, pour peut-être kenn mooy euh, ah moi a mooy euh, raas aca ah, moo koy dégagé pour euh, Onda mu teg bal bi si dënd bi a jox ki kam ne a mooy Benjamin Galiko et que une tête aca bari voilà dañu def a ah, maanaam et que c'est Sidi qui va centrer la tête Paul à côté c'était bien joué c'était bien euh, warna na mën a introduire euh, si intervalle yi pour essayer de retrouver Amdi à euh, ci côté bi ak ak ki nga xamné moy mooy Keba Jité bu ko défé rek ñom dinañ mëna contourner la défense pour def différence alpha mais tant que yaa ngi leen di passe bal bi ci sen tank dos au but da fay métti ci ñom donc ki nga war def moy moy attaquant de pointe bi ngañ mo wara def appel dos au but. ak Thierno Moyonda qui a fait la faute. Et qu'Assek Andagona am coup franc. Voilà Hassan Diallo. Hassan Diallo c'est le latéral gauche. Malik Ndiaye et Suleiman qui va la tirer. Et voilà le but. Et que voilà le but d'Astek Naguna Wakran. A marqué par Suleiman Gueye Et pourtant, on attendait Malignay ou Aslan Diallo. Effectivement. Et regardez le résultat à cran. Mais, il a, qui mais il a marqué un très joli coup franc, Alpha. Un très joli coup franc. Un, coup franc à très bien à travailler aussi. Un, coup franc très bien travaillé. À vous surprendre à l'expérimenter gardien de but de Asek Salam Alpha. Et pourtant, ah, c'est un excellent gardien, mais il a été surpris Alpha. Oui. À ah, Suleiman a marqué un très joli coup franc. Il, il attendait Hassan Diallo ou Malik Malik Effectivement, lolu motax mu bett ko. Motax mhm. mu bett ko. Xam coup franc à axial li ci graw moy gauche mëna ko dor, droite mëna ko dor. Bu boba goal bi day am problème. Du xam fan lay xaar. Mais en tout cas, li ma la mëna xamal moy match bi bi bi bi ah. bi enflammé match bi. match bi dina ibbeeku gars. Alpha. da aussi moom. Uh-huh. de Cité Gabon. il a été formé aussi par. Euh, par par Bank manam Academy à JCLT ñu koy wax local xale yi foofu la ñuy bari ñu si bëri ñooñ fa la ñuy jógee. attention. Assane est très bien organisé Alpha défensivement. Le coffin Leuz et que tal les projecteurs du stade euh, Ngalandou Diouf Ada Rufisque. Leuz euh, pour le coffin c'est euh, quand euh, l'a sortie a manqué et la tête euh, de Lacran. Ou à trajectoire au ballon, c'était pas bien joué de, sa part à, Alpha. Et c'est on a porté préjudice à l'équipe à, à Sek ah, Parce qu'en ce moment précis, ah, Est-ce que le relance yaakaar naa ne euh, daf koy relance a euh, jox ko kenn a euh, mooy l'escorte latéral droit bi a ñu contré ko a malik, est-ce que l'escorte, ba léegi moo yor bal bi daf na benn talana a jox kenn a mooy son partenaire a ñu contré ko c'était Bamba ak Rassi Mamadou Akran a si l'arbitre central kenn a mooy Mamadou Ndiaye sur le nom de Pat Ndiaye a suivre li xam ne a mooy la fin de cette rencontre victoire d'ASC Ndiago devant Salam par part but à 0 Akran Ndiaye